Nous sommes au CM Lamine Senghor de Jean Alpha pour assister à l'inauguration de la salle polyvalente offerte par l'amicale des anciens du cm aux élèves. Occasion saisie pour primer les meilleurs élèves de l'année écoulée. Ont été magnifiées les actions de M. Luc-André Diouf-Dior qui a facilité le financement de la salle polyvalente et de M. Saliou Sambre, président du conseil départemental de Mbourg, pour avoir permis la construction de trois salles de classe. La contribution des parents et les efforts de tout un chacun a été d'un apport capital. La brave présidente de l'amicale Anne Diop Ao et son équipe ont saisi l'opportunité pour communier avec la communauté éducative dirigée par le principal Abdoulaye Diallo, mais aussi avec les anciens professeurs et autres membres de l'amicale. Cette amicale qui s'est fixé comme objectif la réhabilitation du CM Lamine Senghor. On a eu droit à une belle fête, une très belle fête. j'en ai entendu d'autres ici, et des voix qui se succèdent. Donc je disais que vous avez chanté en canot. <laughs> Ils ont chanté en canot et c'était extraordinaire. N'est-ce pas Voilà. Donc, euh, monsieur le maire, vous allez nous excuser, mais vous allez être le premier à prendre la parole. Monsieur le, président du conseil départemental d'Umbourg, Monsieur l'inspecteur de l'éducation de la formation de 2, représenté ici par le CODEC. Monsieur le principal du CEM Lamine Senghor. Madame la présidente de l'amicale des anciens du CEM Lamine Senghor. Monsieur le président de l'association des parents d'élèves du CEM Lamine Senghor monsieur le représentant des élèves ou le président du gouvernement scolaire, chers invités, chers professeurs, c'est avec un immense plaisir que je représente le maire de la commune de Joal Fadouj à cette cérémonie, parce que empêché. Et il m'envoie délivrer deux messages. Le premier, il me demande de dire à l'assistance. Ça aurait été avec un grand plaisir qu'il se serait présenté à cette cérémonie pour deux raisons. La première raison, c'est parce que c'est l'école. Et qui connaît le maire Boukar Diouf, en parlant d'école, il a dédié sa vie à l'institution. La deuxième raison, c'est parce que l'initiative est l'une des meilleures. Parce que c'est un engagement militant, mais un engagement noble d'une association. Et pour avoir évolué durant toute sa vie dans des mouvements associatifs, il salue réellement ce geste de l'association des anciens, des anciens du CM la il l'a appelé de toutes ses voeux depuis qu'il est à la tête de cette commune. Et depuis lors, nous voyons que des associations de plus en plus s'engagent dans le développement endogène de cette commune. Et on peut en citer pêle-mêle. Aujourd'hui, c'est l'association des anciens élèves du CEM Lamine Senghor, des anciens du CEM Lamine Senghor, excuse-moi. Mais nous avons vu aussi d'autres associations comme Joël Fadjou Gazoubi, Tchekanam. Nous avons vu aussi Naole Teranga, qui sont dans des actions concrètes. Et dans ce temple où nous nous trouvons, nous nous trouvons voilà un bel exemple de pédagogie. C'est ça la pédagogie par l'exemple. Nous avons l'habitude d'avoir des associations de tout le temps, mais des associations aujourd'hui qui sont tournées vers le développement. Un développement qui intègre toutes les facettes mais dans une mutualisation des efforts, dans une mutualisation des expériences. Parce que cette association, il faut le dire, regroupe toutes les générations. Et c'est un bel exemple que les jeunes doivent reproduire. C'est un exemple aussi pour nos élèves. Parce qu'aujourd'hui, voilà un retour. J'aurais bien pu plagier M. Césaire, cahier d'un retour au natal, c'est un retour à la source. Pour la plupart, peut-être ils ne sont pas de Joal, mais ils ont étudié à Joal. Ils ne sont pas de Joal, mais ce CM les a formés. Et ils sont reconnaissants. Ils ne sont pas exclusivement de Joal. Donc pour d'autres, c'est juste des enseignants de passage qui étaient en mission ici. Donc il est bien de féliciter tous ces gens-là qui constitue aujourd'hui un exemple pour les générations, un exemple pour ces élèves-là qui seront aujourd'hui primés, pour leur dire que ce CM a formé de belles générations, pour leur dire que ces gens qui ont quitté ce CM sont reconnaissants de ce qu'ils ont reçu dans cette commune. Donc nous félicitons les lauréats qui seront primés aujourd'hui, nous félicitons et encourageons l'association nous félicitons aussi l'initiative de faire porter, n'est-ce pas, des salles de classe à des anciens principaux, n'est-ce pas, de ce CM Lamine Senghor. Et ça, c'est un bel hommage. Je tiens vraiment, au nom du maire, à ne pas être très long, parce que nous sommes là aujourd'hui pour apprécier, n'est-ce pas, un don de soi, pour apprécier, n'est-ce pas, une reconnaissance, n'est-ce pas, parce que c'est ça l'humanité un acte d'humanisme, un acte de reconnaissance. Nous sommes venus ici pour apprécier des gestes de haute portée, n'est-ce pas, qui sont euh, installés dans, cette, dans cet établissement-là. Donc, euh, euh, pour être bref, nous félicitons tout le monde, nous encourageons tout le monde et nous demandons que voilà un bel exemple à suivre pour toutes les associations. C'est une façon de faire de la politique mais c'est de la politique militante, mais engagée. Et au service exclusif, n'est-ce pas, des populations, mais du bien-être, n'est-ce pas, des générations. Donc c'est ça le message que le maire m'a envoyé, vous donner, délivrer ici. Donc je remercie tout le monde. Euh, que la cérémonie soit belle, que la fête soit belle et que vive l'association des anciens, n'est-ce pas, du CM Lamine Senghor, que nous voyons à l'œuvre. Lamine Senghor, moi-même, je dirais que je fais partie de la première promotion. CSB. C'est pourquoi il y a beaucoup de visages que je ne reconnais pas, mais ce n'est pas grave. Parce que la vie, c'est une continuité. C'est pour ça, monsieur le principal, je vous donne la parole et je vous dis merci pour tout. La commune de Joal Fajout ici représenté par M. Manga. Monsieur le représentant de l'IF de Mbour M. Jean-Marie Fay. Messieurs les principaux et directeurs d'école, Messieurs les chefs de service, Mesdames les surveillantes générales du CM, Mesdames et Messieurs les professeurs, chères autorités religieuses et coutumières, chers anciens élèves, chers parents d'élèves, honorables invités, c'est avec un plaisir immense que je prends la parole pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue au CM L'ami Senghor de Joal Fadiout. La journée d'aujourd'hui est une belle occasion qui m'est offerte de vous démontrer notre profonde gratitude toute la communauté éducative de Joal Fadjout, en particulier celle du CM Lamy Senghor, vous remercie infiniment pour avoir rehaussé de votre présence massive cette cérémonie. D'abord, des remerciements à l'endroit des autorités qui sont ici présentes, aux chefs d'établissements publics et privés, aux chefs de service, aux enseignants et principaux à la retraite, aux chefs religieux et aux délégués de quartier. Un grand merci à vous tous pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie, en dépit de vos calendriers chargés. Ensuite, nos remerciements sincères iront à l'endroit de l'amicale des anciens élèves du CM, la dynamique et pragmatique amicale présidée par la vaillante Neyana Diop, Madame Aou, qui, en un temps record, a pu faire un travail remarquable avec son équipe. Une mention spéciale à l'honorable député Luc-André Diouf, qui a ainsi permis la réalisation d'une grande salle polyvalente et des toilettes des élèves. Madame la Présidente, Madame Aou, soyez notre interprète auprès de l'honorable député pour lui exprimer toute notre reconnaissance et notre satisfaction. Enfin, nous voudrions remercier aussi tous les invités sans exception, le corps professoral du CM, les surveillantes générales qui sont ici présentes, de même que les autres surveillants, les parents d'élèves représentés ici par leur président, M. Mohamed Lamine Baratal, et tous les élèves. Je confonds dans ces remerciements aussi l'association des jeunes basketteurs qui ont apporté leur pierre à l'édifice en nous retapant le terrain de basket de l'établissement. Une initiative à saluer, évidemment. Chers anciens, vous avez bien compris la valeur de l'éducation à travers cette belle initiative. L'adage dit, l'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. Éduquer, c'est faire des vies. Cette journée d'inauguration et de distribution de prix aux meilleurs élèves de l'établissement prouve à suffisance que vous êtes une amicale ambitieuse et bien structurée, entreprenante et réaliste. La salle multifonctionnelle que nous inaugurons aujourd'hui nous sera d'une grande utilité pour les enseignements apprentissages et la distribution des prix aux meilleurs élèves donc, euh, de l'année scolaire 2020-2021 va soulager évidemment les parents. L'événement d'aujourd'hui participe à soutenir davantage les efforts de l'État dans le secteur de l'éducation et contribue ainsi à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. J'en profite pour féliciter tous les récipiendaires durant cette année scolaire 2020-2021. Chers élèves, être meilleur et plus fort est un rêve qui ne peut se réaliser que dans le travail bien fait, l'engagement et la persévérance. Je vous exhorte à travailler autorités, chers invités, chers anciens, mesdames et messieurs, grâce à ces belles réalisations, ce sample du savoir commence à changer de visage. J'en profite, avant de l'oublier, de féliciter également le maître, de, le chef des travaux, Pambarik Diop, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation vraiment de ces travaux. Pambarik, vraiment mention spéciale à toi chères autorités, à tous les parrains, je dirais, à tous les donateurs, à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui ont contribué à cette journée de l'excellence, un grand merci. Que Dieu vous le rétribue au centuple. Le CM Lamine Senghor, avec le poids de l'âge, voit se dresser d'autres chantiers. Le laboratoire et la bibliothèque sont dans un état de délabrement avancé, de même que le bloc administratif et la salle des professeurs. La salle informatique n'existe que de nom, faute d'ordinateur et de local adapté. Et chapeau à M. Alassane Bay, formateur en informatique, qui se contente de ce qu'il a et se débrouille avec. Nous en appelons au soutien de tous, l'État, les partenaires, les bonnes volontés, pour la réhabilitation du CM déjà entamée de fort belle manière par les anciens du CM lamy Senghor. Que Dieu protège et bénisse l'assistance. Je vous remercie de votre attention. Merci, euh, merci, monsieur. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce que vous êtes là On vous attend pas. Est-ce que vous êtes là Alors on s'enlève s'il vous plaît. On s'enlève histoire d'accueillir le président du conseil départemental de Mou, directeur de la cible de son Monsieur Salissom, qu'on a voulu très très fort. Merci de l'accueillir. On est là aujourd'hui pour partager des moments exceptionnels avec vous. En ce samedi 6 novembre 2021, la date que tout le monde attendait, nous y sommes. Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes là Alors sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors l'oreille. Alors l'oreille. Alors l'oreille. s'il vous plaît. Le président Salissable. Le président du conseil départemental. Allez, nous allons passer donc à l'allocution de Madame Aou. Ndeye Diop Madame Aou Madame Aou Madame Aou Madame Aou Madame Aou présidente Madame Aou présidente Madame Aou présidente. une dame quand tu t'approches d'elle tu sais que dafa fait ça tu lu baax Tu koy wax diko ko dox di ko ndax waral ça fait longtemps, des années, je n'ai pas vu mes collègues, mes enfants. Mais un jour, on m'a invité. Et la première réaction que j'ai eue, ma sister Bernadette adorée, ça me va droit au cœur. Merci pour ça. Et ce n'est pas seulement Bernadette Ndiaye, c'est tout le monde. Si c'est Beya, si c'est Adiyane, mon frère Dou, si c'est. Elle met tout le monde à l'aise dans le groupe. Yalla, la fat chat yalla na la yàlla fay sen ovation waay tatul mako ndey ana jóg leen ngeen tàccul ma ko seen président na lu ne président tàccu leen ma donc vraiment donc je salue tout le monde donc monsieur le président du conseil départemental Euh, monsieur le président du conseil départemental de Monsieur Salou Samb, un ancien donc, de, euh, cette, euh, de cette amicale. Monsieur le maire de Joal Fadjout, Monsieur Lief, donc le représentant de Lief de Monsieur le principal du CEM Lamine Mesdames et Messieurs, chers honorables invités, soyez les bienvenus à cette cérémonie de distribution des prix pour les meilleurs élèves de l'année académique 2020-2021 du CEM Lamine ce temple du savoir qui nous réunit aujourd'hui en tant qu'amical des anciens élèves. Je suis très honoré d'être à la tête de cette composante qui me semble être véritablement le creuset qui fédère aujourd'hui toute la commune de Jawal Fadjout et environ. Nous avons eu dans le passé, très récent d'ailleurs, UJJ, qui signifie donc Union des jeunes de Jawal, et UJF, Union des jeunes de, de qui regroupait donc chacune les jeunes de son terroir. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Cette amicale a été créée donc le 8 mars 2018. Après une rencontre entre les nouveaux membres au sein même du CEM. l'idée fut émise de réhabiliter les salles de classe que nous avions trouvées vétustes. Donc après des cotisations et des contributions individuelles, le premier bloc qui est là, donc constitué, donc de cinq salles de classe, fut réhabilité grâce à nos propres moyens. Du matériel bureautique et pédagogique furent acquis également par l'AMICAL au niveau du ministère de l'Éducation pour équiper donc les bureaux du principal et des surveillants. Donc après une communication accentuée sur les réseaux sociaux, sur l'état de délabrement avancé du CM Lamine Senghor de Joal pour une école qui a formé des médecins, des docteurs en pharmacie, des experts comptables, des inspecteurs, des commissaires de police, des enseignants, des professeurs d'université et des directeurs de société, des réactions positives donc ont eu lieu avec l'intervention du grand président Salio Samba, donc le président du conseil départemental de, de donc qui promit illico presto donc, de construire trois nouvelles classes qui sont là, bien équipées d'ailleurs, donc à hauteur de 18 millions au nom donc de l'amicale des anciens élèves. Tout de suite déjà en l'accueillant, il m'a dit, Madame Ao, je vais encore vous construire trois nouvelles classes. Oui. <laughs> hein? Donc son formidable acte a fait des émules. Donc son honorable député, Luc-André Diouf Dior, vient juste de nous construire une salle multifonctionnelle, bien équipée, et des toilettes pour les élèves. Une salle donc équipée en ordinateur fixe, en vidéoprojecteur, d'une imprimante, sans compter les ventilateurs et les chaises et un matériel de sonorisation. Last but not least, nous voilà aujourd'hui réunis pour célébrer l'excellence. En définitive, donc, l'amicale compte apporter d'autres innovations pour mieux soutenir l'éducation à Joël Fadjou et environ et donner davantage de l'espoir à des centaines de jeunes sénégalais. Le meilleur reste à venir. Donc, merci pour votre aimable attention. Merci, merci, merci Madame la Présidente. Le discours a été succinct.